Le Niger sur Kalango a sonné. Chers auditeurs, bonjour. Il vient d'être 11h à Niamey et vous êtes en compagnie de Fanta et moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Fanta, comment tu vas ce matin Je vais bien Habiba, Alhamdulillah. À la technique, nous avons Mustapha Ayouba et à l'édition, c'est Adama Dawaki et Raila Toussoumana. Alors Habiba, fais-nous découvrir le programme du jour. Le programme est vaste et très varié comme d'habitude. D'abord, les flèches d'information suivi de l'éducation numérique. Ensuite, nous irons à région pour parler Nous serons à Filingue, n'est-ce pas Oui, à Filingue pour parler des dépenses ostentatoires lors des mariages, interdits par les autorités. Et pour ce qui est de l'entretien du jour, nous aurons l'occasion de voyager pour l'Aïr à la découverte de la réserve naturelle communale du mont Egalak Atimia et ça sera avec le chargé de la protection de cet environnement. Et ce n'est pas tout. Les Niger sur Kalangou, c'est aussi et surtout les divertissements avec des musiques locales et la chronique Loti. Restez câblés pour la suite. Top, c'est parti. Rebonjour à tous. Voici les flèches d'information présentées par Nafisa Adamou Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Habiba, bonjour Fanta. Bonjour, à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans un communiqué hier, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie félicite la libération de Kidal par l'armée malienne. Kidal est une ville martyre qui était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors responsables de la déstabilisation du Mali ainsi que de l'ensemble du Sahel depuis plusieurs années. Cette grande victoire, selon le porte-parole du CNSP, constitue sans doute un tournant décisif de l'engagement des hautes autorités autorités maliennes à libérer totalement leur pays. Certes, les défis restent encore immenses, mais nous avons foi qu'ensemble, notamment dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, nous réussirons à les relever. Les membres de la Cour d'État et de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale à Coldef vont prêter serment aujourd'hui. Ils sont au nombre de 35 nommés par décret le mercredi 1er novembre 2023 avec pour mission principale de recouvrer tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Enfin, le deuxième congrès mondial des médias qui se tient depuis le 14 novembre à Abu Dhabi aux Émirats arabes prendra fin aujourd'hui. Cette rencontre est centrée autour des grands défis des médias, à savoir la digitalisation, les fake news, l'intelligence artificielle ou l'indépendance éditoriale qui prennent davantage de relief dans le continent africain. Durant ces trois jours, les professionnels du secteur vont discuter et trouver des solutions aux défis communs auxquels sont confrontés les médias c'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nafisa. À bientôt. Notre entretien du jour est consacré à un sujet environnement. Nous découvrirons la réserve naturelle communale du Mont Egalach. Et c'est Adouma al qui va nous la présenter. Il est le secrétaire général de la mairie de Timia également chargé de la protection de la réserve. Mais avant d'écouter cet entretien, nous allons nous installer confortablement et savourer ce son à Chamadera de Ali Atibili. kama sako ba wanda za a bashi ya kyale ba kama da mai biya aka ba ramce ba wanda za a bashi ya doke ba wannan kiɗin kiɗin gana yaƙi ne ina kuke 'yan gulma da tegumi them a liar. et le Husky Star avec le titre Asha Madera. Le groupe s'inspire du rythme traditionnel des Gambara, une musique locale de la région de Zender et du monde Hausa en général. Haske chante aussi la paix, l'amour et des thèmes d'actualité. Haske Star joue aussi beaucoup dans les cérémonies de réjouissance comme les mariages, baptêmes et même dans les anniversaires. amarya ina wuni ina kwana kowa ya gaida tsoho ne ana rawa ana shuwi amma fa ƙarƙashin kalgo akwai zuma akwai madara kodo shinan yaya ake a sha madara akwai zuma akwai madara yaya ake a sha madara akwai zumba akwai madara fino shino yaya ake a sha madara akwai zumba akwai madara yaya ake a sha madara <laughs> Après cette pause musicale, je vous propose notre entretien comme annoncé sur la réserve naturelle communale du mont à Atimia. Dans cette première partie, nous aurons une brève présentation de la réserve. Écoutons Adouma al le secrétaire général de la mairie de Timia. Il est aussi chargé de la protection de la réserve. Une interview qu'il m'a accordée lors d'un reportage dans la région. La réserve euh, communale de Timia est située dans la commune de Timia avec une superficie de 1 million hectares, soit 12 000 km2. Elle est aussi classée comme site Ramsar et aussi dans la réserve de biosphère avec euh, comme zone écologique principale les différents monts euh, qui la composent. Qu'est-ce qu'il y a dans la réserve Citez-nous quelques animaux et leur provenance. Dans la réserve, on retrouve un potentiel écologique important, donc qui est constitué de près de 200 espèces végétales, affinités sahariennes, tropicales et même méditerranéennes, 18 espèces de mammifères, 32 espèces d'oiseaux, on retrouve aussi des rongères, des reptiles, un nombre important de points d'eau semi-permanents et permanents et d'importants écosystèmes anthropiques donc euh, les oasis. Donc les animaux qu'on retrouve, nous avons par exemple deux espèces d'ongulés, à savoir le mouflon à manchette et la gazelle d'orcas, qui sont des espèces véritablement menacées et même classées vulnérables par l'UCN. Nous avons des espèces isolées de primates, donc non humains, à savoir les patas et le babouin, qui sont des espèces de singes qu'on retrouve dans le massif et qui sont très isolées du reste de la population et qui se retrouvent ici. Donc l'Aïr est particulièrement la limite nord de leur zone de distribution. Et nous avons aussi des carnivores tels que les chacals. Nous avons le caracal, qui est une espèce de félin. Nous avons euh, les renard famélique, le fennec. Nous avons le chat de Libye, le chat de sable, qui sont aussi deux autres espèces de félins. La genette commune, la mangouste rouge, nous avons aussi une rare population de guépards du Sahara dans la zone et qui est extrêmement menacée donc c'est moins de quatre individus mm. euh, dans le massif, menacés par un nombre d'éléments, notamment le, le, changement climatique, parce que ces guépards-là ne sont plus braconnés et ils évoluent difficilement dans cette zone où il y a moins de proies. L'air, d'une façon globale, constitue un grand carrefour euh, de biodiversité et c'est pourquoi on retrouve euh, les oiseaux migrateurs, du Paléarctique occidental, c'est-à-dire des oiseaux qui font leur migration à partir de l'Europe pour venir en Afrique. Nous avons aussi des migrateurs afrotropicaux qui font leur migration à partir des zones équatoriennes, des zones orientales pour venir jusque de l'Aïr dans une période donnée de l'année. Et vous avez la faune résidente en termes d'oiseaux. Donc ici, la vie faune est très riche, tellement, tellement riche à cause des conditions écologiques que les milieu offrent Donc les espèces d'oiseaux font à peu près 85. Nous avons 18 espèces de reptiles, une espèce d'amphibien et on peut retrouver dans les massifs aussi, dans la réserve, une grande colonie de de rochers et d'autres petits mammifères comme euh, les porc-épics, les lièvres des cap. Nous avons aussi beaucoup de rongères d'insectivores et même des chauves-souris. Est-ce qu'il y a des animaux qui ont disparu Si oui, lesquels Absolument, il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu dans la zone. Donc, dans les années 1960 jusqu'aux années 90, la zone était très riche. Nous avons des animaux comme l'orix, la dax, rayé, les facochères. Beaucoup d'animaux ont disparu dans la zone et c'est à cause donc de sécheresse aussi euh, certains constituent quand même une menace pour les éleveurs. Ils ont disparu suite à des opérations d'empoisonnement par strychnine. Nous avons perdu beaucoup, les hyènes aussi. Et les guépards, euh, on en trouve jusque-là aujourd'hui. Donc, l'Oryx et la dax ont disparu à cause de conditions vraiment climatiques qui sont devenues très rudes dans la zone et lesquels qui ont réapparu On ne note pas actuellement une réapparition vraiment d'animaux sauvages dans la zone, puisque les causes qui les ont fait disparaître existent toujours. La situation n'offre pas assez de conditions pour la réapparition des animaux sauvages, même si quelque part nous voulons, avec euh, le même élan de la création de la réserve, réintroduire l'Autriche, qui est aussi une espèce éteinte dans la zone, parce qu'en 90, il y avait 1600 individus, mais à cause conflits armés que je n'ai pas cité tout à l'heure et à cause aussi des braconnages et de la sécheresse, l'espèce s'est éteinte dans la zone. Donc de 1600 individus, on est aujourd'hui à zéro en dehors de ceux qui sont en captivité à Iferouane. C'est pourquoi avec euh, ce projet de réserve, nous voulons réintroduire certaines espèces dans leur parcours naturel, notamment l'Autriche d'Afrique du Nord et aussi la girafe parce que notre euh, milieu euh, offre un certain nombre de conditions qui sont favorables à l'introduction de la girafe, qui, je précise bien, a existé dans l'Aïr, comme le témoignent les stations ripestres où on peut observer aujourd'hui, dans la plus célèbre qui est celle de Debous, qui date de plus de 6000 ans. Chers auditeurs, le Niger, le Niger est un et indivisible, c'est le deuxième titre de notre playlist du jour et c'est un titre de Hamsou Garba. c'était Hamsou Garba, l'une des plus grandes voix qu'a connue le Niger, une grande patriote. Hamsou Garba a touché à tous les sujets de la politique à la santé en passant par les mots qui minent la société nigérienne. Les chansons de la cantatrice sont des chansons engagées qui reflètent parfaitement le Niger dans toute sa splendeur et sa diversité. personnelle. Poursuivons à présent avec la seconde partie de notre entretien du jour. Adouma Al-Goubas nous parle ici des difficultés qu'il rencontre pour accéder à la réserve et les actions qu'il compte mener à l'avenir pour la réintégration de certaines espèces. Il est interrogé par Habiba Ahmed. Le travail de conservation, c'est un travail qui requiert euh, assez d'abnégation, de régularité sur le terrain. On fait face à d'énormes difficultés. La menace majeure issue, c'est le braconnage, l'extension aussi de l'activité maraîchère qui réduit l'habitat de certaines espèces. Mais nous considérons que c'est le braconnage qui est la menace principale. Nous menons beaucoup d'activités de lutte anti-braconnage, de sensibilisation de communautés, aussi la surveillance de proximité à travers des éco-gardes euh, désignés parmi la communauté locale pour réduire à euh, bout les braconnages afin d'inverser la tendance du déclin de la faune saharienne. Donc la difficulté, c'est que les pistes sont mauvaises, les sites sont presque inaccessibles et il faudra gravir les montagnes souvent pour faire ce travail-là. Le massif des Galas totalise 180 km et on ne peut pas les découvrir et les surveiller à moins de deux jours. Donc, vous avez les massifs de billets qui est aussi tant complexe. Donc, il faudra nous aider circuits et, des missions pédestres que nous menons sur ces massifs-là. Et nous faisons aussi les missions en véhicule, en moto pour la surveillance et des interventions lorsque les infractions sont dénoncées. Et là, nous avons des moyens logistiques très limités. Nous intervenons en collaboration avec l'unité de gestion de la RNAT, puisque cette réserve, elle cohabite avec la RNAT. Elle partage les frontières nord avec la RNAT. C'est pourquoi l'unité de gestion nous vient aussi en appui, surtout dans le cadre de missions d'élite anti-braconnage. C'est la difficulté. Nous faisons face à une menace et nos moyens de déploiement sont très limités. Et aussi, il faut le préciser, les moyens financiers font défaut. Notre vision, c'est de faire du développement local pour que les communautés puissent conserver leurs espaces naturels, puissent protéger l'environnement. Comme nos moyens sont limités, nous ne sommes pas en mesure de mener ces activités-là. Nous avons des partenaires très limités. Sinon, nous voulions, dans la démarche, participer au développement local en vue de la conservation de la biodiversité. Parce que ce sont les écosystèmes que nous sommes en train de protéger. Nous avons fait appel localement à des privés et à des projets qui interviennent hein, dans le cadre de la conservation. Ils ne sont pas nombreux, ils sont très, très, très insignifiants la communauté quand même reste très engagée. Et ce sont seulement les limites des moyens logistiques et les limites des moyens financiers qui nous font obstacle dans notre mission de conservation. Quels sont vos projets à l'avenir Nous envisageons de réaliser deux études, donc euh, deux recherches, notamment une sur la, la pentade sauvage, parce que nous avons ce qu'on appelle la pentade commune, qui est aussi un patrimoine de la zone, mais qui est mal connu. Il n'y a jamais eu d'études sur la pentade. Nous allons mener cette recherche pour pouvoir essayer de déterminer les gènes de cette euh, pentade et les différentes menaces euh, auxquelles elle est confrontés. Nous envisageons également une étude sur les primates non humains. Ce sont les deux espèces d'échange que nous retrouvons ici pour mieux les connaître parce qu'ils ne sont pas mieux connus et c'est une étude qui sera menée par les chargés de la liste rouge de l'UCN. Donc euh, ce sont des primatologues spécialistes du domaine qui vont venir. C'était Adouma Alorbas, le secrétaire général de la mairie de Timia, qui nous présentait la réserve du mont Egalach. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, à présent, c'est l'heure de notre chronique hebdomadaire d'éducation numérique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une décision récente du Népal qui a interdit TikTok, l'application préférée de la jeunesse dans le monde. Ousmane Mamoudou, le responsable du desk numérique du studio Kalangu, nous donne un aperçu de la situation. Bonjour Ousmane. Alors oui, bonjour Fanta et bonjour à tous pour les auditeurs qui seront intéressés. L'article complet est vraiment à retrouver sur le Washington Post et le courrier international, donc en français. Et effectivement, le Népal a pris cette décision ce lundi 13 novembre euh, invoquant des préoccupations liées à l'harmonie sociale. Le gouvernement népalais accuse TikTok d'attiser la haine religieuse, la violence et d'encourager les abus sexuels. C'est une décision audacieuse, mais est-ce que l'interdiction du Népal pourrait avoir un impact significatif sur TikTok Alors en termes d'échelle, non, parce que le, Népal, c'est un tout petit pays euh, qui est situé dans l'Himalaya, euh, en Asie du Sud-Est entre l'Inde et le Tibet. C'est un pays qui compte euh, environ 30 millions d'habitants, ce qui est relativement minuscule par rapport aux milliards d'utilisateurs de TikTok dans le monde. Mais cependant, c'est un signe inquiétant pour l'application quand même qui fait déjà face à des menaces de restriction d'utilisation de la part d'autres gouvernements dans le monde. Donc le Népal n'est pas le premier pays à interdire TikTok. Quelles sont les autres nations qui ont pris des mesures similaires Oui, loin de là, l'Inde par exemple a interdit TikTok dès 2020, en même temps qu'une douzaine d'autres application chinoise suite à des tensions militaires à la frontière chinoise euh, De plus, les États-Unis, l'Union européenne et le Canada surveillent de près l'application puisqu'ils la soupçonnent BitDance, donc la maison mère de TikTok, de permettre aux autorités chinoises d'accéder aux données privées des utilisateurs. Ousmane, revenons à la décision du Népal. Pourquoi le gouvernement népalais est-il si préoccupé par TikTok alors, le Népal se trouve euh, géographiquement entre deux géants du continent asiatique qui sont l'Inde et la Chine. Euh, mais les autorités népalaises sont davantage préoccupées par l'harmonie intérieure que par des tensions avec la Chine. Elles estiment que TikTok ne fait pas assez pour contrôler la diffusion de contenu haineux qui peut provoquer des affrontements même hors ligne, donc même hors de l'Internet, et même euh, de la nécessité d'instaurer des, des couvre-feux. Donc le pays était obligé à un moment d'instaurer des couvre-feux pour éviter des affrontements. Mais TikTok compte 2,2 millions d'utilisateurs actifs au Népal. Quelle est la réaction de la population face à cette interdiction Alors, certains défenseurs des droits humains s'inquiètent du fait que le gouvernement népalais restreigne euh, la liberté d'expression sous prétexte de protéger l'harmonie sociale. Donc, c'est toujours ce cas de figure. On a l'impression que les gouvernements en profitent un peu. Par exemple, l'ONG népalaise Freedom Forum euh, a indiqué que le pays se dirigeait vers une société de plus en plus étroitement contrôlée. Merci bien Ousmane pour ces éclaircissements. C'est une situation complexe et nous continuerons à suivre l'évolution des TikTok dans d'autres régions. C'est tout pour cette euh, rubrique. Merci Ousmane. Merci, à la semaine prochaine. Et maintenant, soufflons avec le titre Baywa de Sanya Boussa avant de continuer. Santa Maria. Ici, à la chanson dès son plus jeune âge. Élève exemplaire, ses parents voyaient des mauvais et leur fils devenir musiciens. Mais face à sa passion et au destin, ils ont fini par céder. Et c'est justement de cette réticence qu'il parle dans cette chanson. Sania Boussa sort sa toute première chanson en 1985 à l'occasion d'un concours parrainé par le préfet Desender, auteur, compositeur et guitariste hors Il avait à son actif plus de 200 chansons dont 35 ont été enregistrées. Malheureusement, il a rejoint son créateur en décembre 2004 à l'hôpital de Niamey après une longue maladie. Et à présent, place à l'écho des régions. Oui, Fanta cap sur le département de Filengue, région de Tilaberi. Les autorités coutumières de Filengue ont arrêté en avril 2018, de commun accord avec les différentes couches sociales du canton, la réduction du coût, voire la suppression de certaines dépenses jugées inutiles ou au cours des mariages. Après cinq ans, quel est l'état du lieu de cette mesure dans les cours faits Réponse dans ce reportage d'Abdoulaye Bagassa, notre correspondant à Filengi. Sur la question du mariage en dehors de la dot qui est officiellement reconnue, Aujourd'hui, il faut les moyens financiers et matériels adéquats pour supporter certaines charges, comme la valise, les uniformes, les rôtis, les foindis et autres. Et rester dans cette posture a des conséquences sur la sincérité du mariage. C'est partant de ce constat que les autorités coutumières et la population, afin d'assouplir ces exigences qui entravent la bonne marche de ces unions, ont pris une décision. L'Assemblée a arrêté un montant précis pour le mariage des femmes de différents statuts matrimoniaux. Également, les cortèges, rôtis et uniformes sont interdits sous peine d'amende. Cependant, aujourd'hui, les mesures prises ne sont plus respectées selon les explications de Abdallah Aboubakar, president de l'association des jeunes. Aka rage kudaden wannan da warko mutane sun yi na'am ko ina ana ta bayani in ka dauka ko kasashen waje. ‘Yan uwanmu da ke kasashen waje kira kawai suke ji sun ji daɗi sun yi murna. Sai a wayi swahiya wannan dokokin bayan an sa su an wallafa su mutane suka zo suka tattaka su suka yi watsi da su. Sai in ce mutane sun yi ta ba da dalili iri-iri. Me ni a nawa gani doka doka ce matasan su ne suka ɗauka don kansu su ne suka yi ma kansu alkawali na sa wannan abun da girmama shi bayan kun je kun kuna son abu an sa muku shi maimakon duk wanda ya taka ku je ku bi shi ku yi ƙara a buge da doka shi ma saboda gobe kawai da suka ga wannan kin ya faru sai suka je kawai suka shiga harkokinsu kowa ya takawa. Pour Madame Zaliya Hiya, habitante de Filenge, l'autorité coutumière n'a pas joué son rôle pour le respect de cette décision. bidda ya sa wannan zance haraka aure da ya taɓarɓare na farko duka hukuma ita ta ba ta yi aikinta ba tunda lokacin da gidan sarki an ka ɗauko wannan zancen da ya zaminta an fara dan yin wannan zancen da gidan sarki an kai an fara dokashi daga baya an ka ji wani wuri an yi gidan da an ka shi an yin nan da a tahi a kama gidan da uwa amaryar da amaryar da uban amaryar duk a kama su a ruhe su a aza musu tara da in an yi haka nan wani gobe yana jin tsoro ya ji yannan na biyu wajen kuɗin aure kuma abin da yasa eh, an ka maido yanzu tsadar tinnin ma'aikata masu hali su sun ka tabarbare abin tunda yanzu yau an aje akan biskayar 350 amma sai ka gani wai kai ma'aikaci ka kai sisan mil dan sabili da kai kana da kuɗi kenan in kai ka kai sisan mil nan da kai mijin da ka kai sisan mil da uwayen nan da sun ka amsa tunda ana ji ba ba a ji ba ana ji sarai ba ba a ji ba da su uwayen da sun ka amsa da kai mijin ne duk a kama ku duka hukuma ta sa doka ta hau biskayar kanku in ana yin haka nan wallahi da al'amuran ga duka da suna yin sauki sarki ya ba da incin gawa da za a yi hukuma su kama da ko isu uniforme ga da dukkin shi sai ayi duk ayi supreme shi kwata kwata kwata kwata dan mu uniform ina bamu ga abin da ya gyara mana in ba kashewa aure sa ma ta bashi mace mijinki bai yi miki ba ki ta ki ci bashi har ana tarkewa juna wurin buki ana hudin wance ta ci bashin abita ta ta maida mini ba har da hada da komi da komi kuma an san da haka nan sare ba ba sani ba me abin nan an ki a ciwo kan shi Selon le représentant du chef de canton, le cahier de charges est appliqué en milieu rural. Néanmoins, on assiste à une désobéissance en ville et cela s'expliquerait par l'influence des étrangers. Kiran da gare ni abin da ya kamata har yanzu da tijawa maza da mata da samari da 'yan mata su zaka a zauna da su. Abin gaba yana wahalshe su yana wahal da uwayensu kuma yana sa su hita hanya tunda ba dole ne ba don Allah mutane su bi ɗan kansu sauki musamman Allah ka mutane sauƙi ya kamata jama'a su rungume shi da hannu biyu. Yau alhamdulillahi abin alfahari in ka shiga ƙauyuka sai su ga ƙauyuka dokan da an kashe da sun bata muhimmanci 100 bisa 100 saboda mai sun ga unhwaninta ce na abu an kai ma shi kaga unhwane ya kamata ka rike shi amma nan da babban gari sai kaga mutane kila dan wanga ya zaka da can na wancan ya to da can wancan ya to da can shisa shi ko sauki domin ka ce ai mu ba dan kanmu ne ma dan al'umma ne tun da kai in kana da halin ka yi buki gidanka ka bid'a a yi minana wani bai da hali kuma dole cewa shi sai ya kwaikwayo da kai in bai kwaikwayo da kai kuma ya ga ya kasa eh kenan dalilin ka zaka jawo ma dan uwanka wani cikas na rayuwa wanda yake in kasa cikin shi yana riɗa bai cikin shi ba kenan abin da ga kamata ko yanzu ya kamata mu ga hanyoyin da kamata a bi a kira al'umma a zauna da su bisa ga aikin da an kai baya a komo mishi don gaskiya jama'a suna cikin matsaci Abdallah Abubakar, président de l'association des jeunes, estime qu'il faut dépoussiérer les textes signés par les communautés elles-mêmes et les faire respecter. abu ne wanda an riga an sa shi doka doka ce in an sa ta tana nan ai ba koma ne aka aka zamna ba aka ce an tadda wannan an shahe wannan abun kuma ba sauya aka yi ba abu ne wanda suna nan takardu suna nan warwadowa da ita ne za a yi maido abun ne za a yi a maido shi kamar yayin da aka ɗauke shi can baya yayin da aka yi alkawalin girmama wannan dokan kawai a dawo a bi hanya a girmama ta kowa ya samu kanshi Il incombe à tous les acteurs à travailler en synergie pour le respect du règlement intérieur élaboré. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Il est 11h passé de 39 minutes. Le Niger sur Kalangou se poursuit. Nous sommes avec euh, Gourouza Sumikarimou pour la page sport. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta. Bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Très bien. Alors, euh, Gourouza, le MENA national fera sa première sortie ce samedi 18 novembre au Maroc. Et c'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, Fanta, l'équipe nationale du Niger, le MENA, jouera son premier match face à la Tanzanie à Marrakech, au Maroc et le deuxième match euh, est prévu pour le 21 novembre et ça sera contre la Zambie. Ces deux matchs dans le cadre des éliminatoires, vous venez de le dire, euh, la Coupe du Monde euh, prochaine. La sélection ou le sélectionnaire nigérien et depuis, avec ses euh, euh, joueurs, depuis quelques jours, au Maroc, euh, sous la conduite du sélectionneur par intérim, Zakariaou Ibrahim. Ce dernier adore et déjà présenté la liste des 23 joueurs qui vont aller mouiller le maillot lors de ces deux rencontres capitales pour le sélectionnaire nigérien. La particularité, il faut noter, de cette sélection, il s'agit de jeunes joueurs talentueux qui vont certainement donner le meilleur d'eux-mêmes. Malgré l'absence du 12e joueur, c'est-à-dire les supporters, l'équipe du Niger compte se battre pour une qualification à cette Coupe du Monde 2026. Gourouza, c'est également ce week-end que la Super League va démarrer, n'est-ce pas Oui, Abiba. Effectivement, euh, les régions qui vont, euh, en tout cas qui ont des équipes engagées dans cette euh, compétition nationale, se préparent activement. Même Dosso, qui a fait des années sans y participer à un club, le Tagour provincial dans cette Super League édition 2023-2024. Les dirigeants de Dosso se préparent pour affronter le premier match dimanche face au Zumunta AC de Niamey. Écoutons d'ailleurs la réaction du président de la Ligue de foot de Dosso, Abdou Aboubakar Dissido. Depuis euh, deux ou trois mois, les dirigeants euh, du club, avec à leur tête le président Omaru Amadou Zakai, s'attelle dans un premier temps au renforcement de l'équipe notamment en recrutant de nouveaux joueurs pour euh, ajouter aux talentueux et vaillants joueurs qui ont euh, qualifié l'équipe à la euh, Super League. Dès le dimanche prochain, le Tagour Provincial Club de Dosso va faire son baptême de feu. Ici, au niveau du stade régional de Dosso, il va jouer contre le Zumunta AC de Niamey. En tout cas, l'atmosphère au niveau de la région et au niveau du club est bon enfant. Et pour cette année, comme c'est notre premier pas, notre ambition, c'est de pouvoir d'abord nous maintenir. Nous allons euh, en tout cas nous battre corps et âme et mieux, en tant que ligue, nous allons œuvrer pour que les deux autres équipes qui sont en ligue nationale, euh, à savoir euh, le national d'Andy de Gaïa et l'entente football club de la commune urbaine de Dosso, puissent monter en Super League. En tout cas, nous avons du travail devant nous. Nous sommes ambitieux et nous y croyons pour euh, la mise en jambe. Vraiment, on n'a pas eu de matchs euh, en dehors de la région, mais vraiment un entraînement euh, intensif, souvent même matin et soir. Ouais, c'était là Aboudou Boubacar Sido. Il est le président de la Ligue de foot de Edosso au micro de Salamatou Kadri. Voilà pour le sport Fanta Abiba. Merci beaucoup, Gourouza. Merci. Et à plus. Alors Abiba, de qui parle le portrait du jour Dans notre rubrique portrait de ce jeudi, nous allons parler d'un jeune homme qui cumule plusieurs genres de commerce pour gagner sa vie. Zachary Youssoufou exerce son activité au marché d'Arsalam à Niamey depuis 15 ans. Comment fait-il Réponse dans ce portrait signé Oumu Oumourou. lokacin da na fara wanga kasuwa da arsalam yanzu dai ina ganin kai shekara goma sha biyar cikin ta komin hima e da farko da na fara firin kayayyakin mu na yan maraɗi na kawo aya na kawo kwabto busasshe ina saida da yaji da maji duka dai kawo waɗannan busasshi su na fara saidawa duka da masara da gari duka babu wanda ban saida ba cikin su yanzu daga baya ne sai na koma kuma na ce bari in shiga wanga ɗanyen kaya tunda ina saida wannan busasshin kaya ci gaba da ina shi ina gyara ina saida na ga ina saidawa masha Allah kawai na ci gaba da sa yin kaya ina yi to su kuma waɗancan sai suka kai ma inda suka gagare ni ma ni zanca sai na bar su kawai na ci gaba da waɗanga ɗanyen kaya to kuma yanzu ina yin yin kayan ban bar su wakin gande ko yanzu masha Allah lalle babu su da amma akwai su ina yi har yanzu ban bari to malam zakar yanzu na kana yin kaya tebur ɗin shi daban hmm. tebur ɗin abinci daban hmm. yanzu yin kaya me da kike saidawa yin kaya kin gare ga tumati ga faburan ga tonka ɗanya ina kawo albasa ina kawo shi ina kawo karat na ga yanzu tabul na hannun dama shi hmm. kuma ga abinci kana hmm. saida cin mi da mi kike saida abincin na ina iya yin kurbu kurba daga gida ake yi mun shi ina iya yin shi da wake da shinkafa da shinkafa da surun da duka muna kawo muna saida kuma nike saidawa da kaina amma daga gida ake wannan farin shi kuma zaka da shi shi kuma so nike in yi abin nan me ake cewa fari masa wani lokaci zaka yi shi ma ha ake cewa al'asar insha Allah na fara shi muna kai har magariba muna yin shi kenan magariba fari bayan iske kasuwan ga insha Allah wanga fari masa ba yau ne na fara shi ba shi ma lokacin tun ina sayar da busashin kayan nan ina da kayayyaki na ina taya can bakin hanya ina sayan karto guda in soya shi ma in saida da fari masa din da doya dindu duka ina soya to yanzu wani alheri ka samu cikin sana'an gana sana'an da kake na gode mu Allah tun da dai yanzu kai masha Allah ko ban ce na tara wani abu hakan gaba wasu kuɗaɗe ko ko wata kaddara ina ga hanyar tara su in dai Allah yarda izinin Allah tun da adadin mai nema yana tare da samu ina tare da yannaina da mata da maza suna ba ni karfin gwiwa kai dai nemi kuɗi kuma da ja ni ma ni ina yin shi na samu na shi sai dai kawai kin san arziki lokaci na tun kuna na fara ina ɗauka kaya kaya ina sai da lemu cikin burot in na zo in aje tarkon burot in mota ta zo mu mu sabke kaya in muka sabke muka kare kuma in zo in ɗauki tarko na na burot kuma in tula in ta yi talla. matsalar da gare ka? Matsala wannan kawai sai in bar ma Allah ban an yi magani na ga Allah ka Kira zuwa ga matasa. Matasa ya kamata su rinka kwaikwayo su ma suna tashi ɗaya suna yin aika wanda za a ci in da aiki gashi nan aiki na hannu in mutum yana so yana rinka yi tunda yau ko mutum ya ɗauki dan abin siraji kana yin siraji garin ga kana samun kuɗi tunda yanzu haka cikin kaso ga akwai yaro da ya rinka yin mu siraji yau da shekara goma yaran nan ya zo ya zanna nan ga mu siraji yanzu da sannu sannu yana rinka sayan takalma sabi yana rataya yanzu shago gare shi na kanshi da yake sayar da takalmi hada diko da tawahi eh kenan kin gani wannan shi Allah ya taimake shi ma taimaka mu kan shi da daukan mu kan yawan nan niyya rishin aikin yin nan yake sawa yara suna tarbe mutane suna cuta musu suna amshe musu dukiya suna tar da mutane cikin gida suna cuta musu kenan muna kira ga samari su tashi tsaye da kansu kowa yake nema insha Allah yana samu Allah ya kama mu C'était le portrait de Zachary Soufou réalisé par Oumu Oumarou. Pour boucler notre playlist d'aujourd'hui, chers auditeurs, nous vous proposons ces grands classiques de la musique traditionnelle nigérienne, Wakar Metaketa de Idina Dado. mai ta ge da san ma la mai ta ge da lahiya lahiya salama alheri Fanta de Idi Dado. Fanta, de quoi parle les femme de Kalangu dans la chronique Loti du jour Dans la chronique Loti de ce jour, on parle des préjugés envers les personnes. Rekia Arimi et Ruketo Abdraman s'expriment sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. habsi mantirse ni gosi no ini guna irkwisi gunwe barawo ha wata gade bar ya Le kan ya marko windira ha hmm. habsu ni mu ai goga se woni goga kabuno no ni goga kabu bomboda ai goga kabuno so ya kan dirgo bo bon kannim dusan ni zufo kani ban ko ni kansi bori kannim mo da ke boraga za su su ni go wadin ra nim boragu ne nim ci haifo a wasu irkoi kwaisi mo da ke ai wal sigi mo da ke borabu hai kan ai di dai nai ci hmm. sintina ga dai wo bo fono kan go fur barra wadin maga nina sai wai to hamsu da manti wai kuru tarai ifo no ga kwanda bor barra bogin kwegde ngwari silman kaina kadi nigi ngi fugun wadi dai yansi da fo mogono kan gwanda ngwari kano wadi no ganan bogai ba diga ba haifo iko ga dai maze ne haga banda igne ga malko menik di bogai ko eno de no atkul malko da yin wasi eh hamsu woy bor hanno kan ginga daraja bai asifuru barra wadi hinne ne ga nenis ko eno mo kadi iri godo bog fa kan di sonda kan se hinne ni di aninga hamno bibig bibiriga te gasta nine aga hankwaya ganja na ga han masai sannai bare toy fonon ne ai ne ha kan da siga ganja han to a follono zama da manti follo komo borg te ga hamni nan kalamu baya kine wadi se deni gine dan yani mo da ke ga. ha goje kan ni gogdi bog hannano wallahi so margino ai gine ni sai kadi mantika senin da boga akan sigdi in dunya da mofu walmo ninda har kai si te kyarse walmo mutkanin wani godi bore in go sigi di ya da ne man no ga bora te bor mu wallahi nim di da ke bora gawo asibori miya ni ne modake modake to ki yaise ifo no ni go mile din ne modake zama ayo ai si nisan na yo ai si faham dai modake dai giti nim di boga ni min la sabi fuente abande wadin mo amanti kimi ni di wadin kul sikka yenno ko ina asibori ni si ba kai lokaci sambu nin bora bai gina ni ma da bai nin wo gaba da yano zadin di boga sadin da wani wo halin bora chau nim du hankali ciyabu hey hamsu ayo hayayo kulkanigoga kimanti wadin no fa zama ayo haifo daino daidi ka daidai sala nigingine hay kulkaniga ba haya kan ti dai nimsu mo da ke bagabon hal nim ni zufu kan gici wadin no si bori wadin no ganan ba da bagagon da da hannafo nisidiya to son gunu gudi dig ni haikul ni yigdi Irin sobe gi sikka hankan irin mila da wankir mila cimina wal Irin igum gunan gunanda mutuno dunya koida to ni bai ayo lanno haya kan ai dini ga zasin tinaga ganai ga la kanci mino to nangay mi ni se sintinay follon di yan sinan nimne boga wo boga hanno wal bog yamono nangay min fongandi haifu kokor banda kan inda ni irko habu ni di we fode no ni mo da kya gani ne aga himcar kau ni ne mo kan aga ba ginwa kan aga manu irga mu ni ba ga zugu kal ai kan nin kan badi ga gayi amma lokaco kan kina mani ir anin ga bangan di irga ik famu ga be kan wiza wai mon ga te kunyi se <laughs> to ni ga cim wadin hinna ga no ai hatta hey fa kadi wadin hinna fa irko sai mu hambu irko mu cici mi watu kulu daga yanga nunugo dinna haya ci ni ne filan wo ya cinno wiza man tiya dinno wadin wo so bobo ni gati ni won gorgisin wo kaino ni ne wat kula godi da kan yanga kan sai ni gijiya ni ga chofo yanga fegu windi kurara wadin mo ni mo da kyaga ni ne kan bako mbo asiduwa aduwa wala manduwa <laughs> wallahi aduwa hmm, ma wani su ba ma hawi koi ne mantu wadin hinnano wadin tenise daido nai koi ni si ba bai wadin ga wallahi habsu ni ga kyam son wo kan ne sanno taise insha Allah ay ga kokari ga haye wo kulna to amma da borga ba bor mana mo matano borga te asiga bu bokade nim sambuni lokacu nimin bongo ne nin dimmo nim di hankan kamata da wankan man kamata him himga zadin di bora nim wasu wasu gini a filano wo yakin nago wadun wo asibori nim boga bai gina filanowo ya bilanawo a dago da amma kan man goran da matkin se nig tegini a ya dai yakin dainago nigi hingi rai ko ni ke bobu ni gati ai ni ci nisi wallahi nigi cim hamsu to ai kokari amma ni bai hayano man tifa la rana go sadin da no nig fur hayara ni man babai hmm, yadin no hankan boxing tun wo dai su zamine kuskan da wani diyan astar gana mu asiba ana ya dinga mu ko ka dai nimin bondan nim dugin bogora hansa ne da bogai zamo ne ga yinkan da masala ne da bogai gama gaba kulkan ma ni sai boga si maka ne fi billahi to insha Allah hansu da irkoi ba ai gana mina yi ba mu feri irkoi dai min Merci les filles pour vos conseils. Place à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Nelly Abdul. Bonjour Nelly. Bonjour euh, Abiba, bonjour. Euh, bonjour Niali, quel est le mot du jour Le mot du jour aujourd'hui, c'est la sarcopénie. La sarcopénie, je vais tenter d'expliquer les contours de cette expression. La sarcopénie, la comme définie par les spécialistes du corps médical, est un phénomène biologique qui se manifeste par une perte musculaire et de force squelettique due au vieillissement. Nous sommes en début de la saison froide et certaines personnes, particulièrement les personnes âgées, souffrent de maux comme le rhumatisme, des douleurs musculaires et articulaires. La perte musculaire la plus rapide concerne les muscles des jambes, car lorsque une personne est assise ou allongée, les jambes ne bougent pas et la force des muscles des jambes est affectée. Donc, actif, donc soyez actifs, monter et descendre les escaliers, marcher rapidement, courir, faire du vélo sont des excellents exercices pour développer la masse musculaire et atténuer la sarcopénie. Avec l'âge et le vieillissement quotidien, nos jambes doivent toujours rester actives, actives et fortes. Car comme on a coutume de le dire, le vieillissement commence dans les jambes et les pieds. Gardez vos jambes actives et fortes. Mhm. En fulfulde, sarkopeni no alhalinon, Nabi Nabi en rafika yaran cellal ngal ɓuri netlo wakati wakkati wakati fuɗɗi natude Wakati o dow ni netto no jippo teumu yofodira ɓandu dun tinno no yaka dun sabi de netto hewtake duuɓi gom no wodi Merci Nyali. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message vocal ou écrit au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou des expressions dont vous souhaiteriez comprendre en anglais, en haussa, en tamashek, en français, en fulfulde ou en zarma. Sunana Muhammad Sani Dauda Cinwaza an fi sani na da Fikima Erogan mamba ne kuma kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da ke nan jihar da Magara. to Gaskiya shirye-shiryen studio Kalangu suna matukar kayatar da ni musamman ma shirin da ake yi na mahadu a fada. Gaskiya shirin nan yana birge ni da kuma shirin nan na sanin doka wanda ayoyin doka ake tambayar masana doka a ce doka me ta ce a kan kaza to wannan shirin a labaru da ake shi yana matukar burge ni sosai sosai sai dai kuma kamar labaransa da kuke wallafawa a shafukan sada zumunta su ma suna matukar kayatar da mu amma kiran mu a gare su da su yaka yin wallafawa da hausa ma duk da al'ummar mu na nan yankin sun fi aiki da halishin hausa da za su ganin masu bibiyar su sosai sosai ina ku fatan alkhairi ina kuma gaida dukkan no ma'aikatan studio kalangu ma'aikatan radiyo shukura ma'aikatan dukkan gidajen radiyuka na jihar da magaram da dukkan mambobi na masu kira da sauran radiyo na afirka baki daya da kuma masu kira da sauran radiyo na jihar da magaran alashin eh, jagorancin abin mai aski na gaida yan fada na erogan da yan burin zuciya sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to hakikanin gaskiya mu al'ummar jamhuriyar nijar tsakaninmu da rediyo studio kalango sai yabo da jinjina da fatan alheri alheri da kuma alasan barka tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara daga likafar wannan gidan rediyo sama kuma Allah ya kara ma ma'aikatan ta hazaƙa da nisan kwana masu amfani ganin yadda a kullum kuke gode sosai et c'est tout pour notre émission Le Niger sur Kalangu de ce jeudi 16 novembre 2023. Rendez-vous demain à 11h pour un autre numéro. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même Fanta Chamsou. La technique a été assurée par Mustafa Ayouba et à l'édition c'était Adama Dawaki et Rahilatou Soumana. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et nos radios partenaires qui diffusent cette émission. Bon appétit.